forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou auditeurs et auditrices du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio une émission qui vous éclaire sur tous les sujets qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Les programmes d'iStudio studio Kalangu sont diffusés par un réseau élargi de 34 radios partenaires à travers le Niger, et ce du lundi au vendredi de 17h à 19h et les week-ends de 17h15 à 18h15 minutes. Les syndicats et les centrales syndicales au Niger, force, faiblesse et perspectives, c'est la thématique qui nous réunit ce soir. Qu'est-ce qu'une centrale syndicale Quels sont les critères de création et d'affiliation Comment fonctionne une centrale syndicale Quelles sont leurs forces et faiblesses et qu'en est-il des élections professionnelles pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nous avons invité dans ce studio Amadou Aruna Maïga, ancien secrétaire général de l'USTN. Bonsoir Amadou. Bonsoir. Et merci d'être venu. Également avec nous au studio, Amadou Jibo, qui est secrétaire euh, général chargé à la communication de la CGCL Niger, donc euh, la Confédération générale des syndicats libres du Niger. Bonsoir euh, Amadou Jibou. Bonsoir. Merci à vous d'avoir honoré notre invitation. Présentation de cette émission, Alassane Kouzi Mahamadou. Bienvenue à tous dans le forum au Kalangu. Je le disais ce soir, nous parlons du fonctionnement des syndicats et des centrales syndicales. La constitution nigérienne et le droit du travail prévoient la liberté d'association et permettent aux travailleurs de, se constituer, euh, de se constituer en syndicat. Ce droit est réglementé par le Code du travail. Les syndicats professionnels ont pour mission clé l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux, agricoles, ainsi que pour la défense et la promotion des intérêts matériels et moraux les et professionnels de leurs membres. Au Niger, il existe une multitude de syndicats, tous sont affiliés à des centrales syndicales. Alors pour planter les décors, nous allons peut-être commencer par une euh, pour savoir d'abord euh, ce que c'est qu'une centrale syndicale. Je commence avec vous, euh, Amadou Aruna Maiga. Donc merci beaucoup pour la deuxième fois que vous me donnez l'opportunité, n'est-ce pas, de participer à des thématiques d'une telle importance parce que toute chose qui permet d'éclairer la lanterne des uns et des autres, on ne peut que saluer ça. Et là-dessus, en tout cas, votre organe, je le salue très sincèrement. Alors, à la question de savoir euh, qu'est-ce que c'est qu'une centrale syndicale. Une centrale syndicale, c'est un regroupement des syndicats professionnels. Il faut dire qu'ici au Niger, euh, il y a deux appellations que nous donnons au regroupement des syndicats. Il y en a qui disent centrale syndicale, il y en a qui disent confédération. Donc centrale syndicale, tout comme confédération, c'est une union des syndicats professionnels qui donne une centrale. Une confédération, c'est vrai que c'est une occasion aussi d'en parler. C'est abusivement que euh, ceux qui euh, appellent leur euh, centrale confédération, puisque une confédération, c'est une union des fédérations. C'est une union des des fédérations c'est ça, c'est ça qu'on appelle une confédération. Or, quand on regarde le paysage syndical au Niger, toutes les centrales dénommées confédération, confédération ne répondent pas à cela. Parce que ce ne sont pas des fédérations qui s'y affilient. Mais pour certaines centrales, il y a des fédérations qui sont dedans. Mais logiquement, lorsqu'on dit confédération, c'est les fédérations qui forment la confédération. Euh, Monsieur Amadou Jibo, vous voulez compléter peut-être sur euh, la définition même de centrale syndicale oui, je vous remercie aussi de l'opportunité que vous nous donnez. Ce que je voudrais ajouter, c'est au niveau, par exemple, de l'appellation euh, confédération, c'est juste des dispositions que les gens ont prises à long terme parce que au fil du temps, des fédérations peuvent se créer au sein de ces confédérations. Donc c'est pour pouvoir en tout cas prendre en compte toutes ces considérations que euh, les centrales syndicales qui ont pris le nom de confédération. pour, autant pour le moment avoir sans, euh, des fédérations. Oui, parce qu'actuellement, euh, il y a des fédérations qui ont commencé à se créer, dont les syndicats se trouvent euh, ça et là dans les diverses centrales syndicales. Mhm. Mais ça ne remet pas en cause l'existence de ces centrales syndicales. Mhm. Sinon, en définition, c'est ce que l'ancien vient de dire c'est un regroupement de syndicats qui, qui se retrouvent, qui s'affilient et pour créer une force pour pouvoir défendre leur intérêt matériel est mort. Est-ce qu'il y a des critères, euh, j'imagine bien qu'il y en a, euh, quels sont les critères de création euh, d'une centrale syndicale Bon, les critères, il faudrait dire d'abord que c'est encadré par nos textes. Les conventions que le Niger avait signées, notamment la convention 87 et 98 de l'OIT, qui ont été traduites dans notre constitution, et en son article 34, ensuite dans les différents textes, notamment le statut général de la fonction publique et le code du travail, qui dit que les syndicats peuvent se retrouver en fédération ou bien en confédération. Bon, le problème ne se pose pas. Il suffit que les syndicats soient des syndicats qui se sont créés et qui ont déposé leur statut au niveau euh, des mairies, des statuts et règlements et les bureaux provisoires au niveau des mairies. Et quand ces, ces syndicats déposent ces statuts-là, ils existent déjà en ce moment, ils peuvent se constituer un syndicat. Est-ce que le nombre, le nombre des syndicats ou les secteurs d'activité euh, ne, ne, ne pas en compte dans, euh, la création d'une centrale Bon, au Niger, le problème ne se pose pas. En tout cas, au niveau de toutes les centrales syndicales, nous avons tous les secteurs qui sont euh, confondus. Nous avons le secteur public, nous avons le secteur parapublic, nous avons le secteur privé. Donc, euh, qui peuvent se retrouver dans une même centrale, dans, une, même, une même confédération, le problème ne se pose pas. Amadou Aruna Maïga, par rapport aux critères même de création d'une centrale syndicale, le critère de nombre ne compte pas, n'est pas euh, totalement un indicateur euh, obligatoire. Comme l'a euh, dit Amadou, secteur d'activité. Comme l'a dit Amadou, il n'y a pas de critère. Carrément et nullement, on retrouve des critères pour créer un syndicat ou créer ou s'affilier à une centrale syndicale. Il n'y a pas de critère. Il a rappelé, c'est la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté d'association et la Convention 98 sur la négociation collective. ces deux conventions ont été ratifiées par l'État du Niger. Donc, quand un pays ratifie une convention, elle devient supranationale, c'est-à-dire plus forte que les lois nationales. Et on permet, Amadou l'a dit, de les insérer dans notre ordonnancement juridique, c'est-à-dire dans notre Code du travail, n'est-ce pas Donc la, Convention 87 dit bien que les travailleurs peuvent s'associer et créer leur organisation et s'affilier librement, librement, sans que l'autorité ou un pouvoir quelconque ne s'y mixe. Donc il n'y a pas de critère de nombre, il n'y a pas de critère de période, il n'y a aucun critère. Aujourd'hui, nous sommes trois ici, si nous décidons, nous pouvons créer notre syndicat. Quitte seulement, comme l'a dit Amadou, que nous nous conformions au texte. Nous faisons notre, nos textes, on part en assemblée générale constitutive, on met un bureau provisoire, on prévoit un congrès, et tous ces documents-là, il faut les déposer auprès de l'autorité. Non pas pour qu'elle vous donne quitus, mais qu'elle sache qu'à partir d'aujourd'hui, un syndicat est né ou une centrale est née. Son exercice, il ne peut pas l'entraver, il ne peut pas l'empêcher, ainsi que les pouvoirs publics voilà, il n'y a pas de critères pour créer un syndicat. Bah. D'où le désordre qu'on observe au Niger. la question que je voulais euh, euh, poser justement, c'est de savoir donc euh, deux syndicats peuvent se retrouver pour créer une centrale syndicale. Mais puisqu'il n'y a pas de nombre défini, nous avons vu, en rappel, au Niger, il y a des centrales qui, au départ, étaient quatre, cinq, six centrales. Eh, eh, eh, syndicats. Syndicat. Maintenant, au fur et à mesure, il y en a qui mm. les rejoignent, il y en a qui se créent pour venir s'affilier, ainsi de suite. Mm. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de nombre. Et personne ne peut dire non, votre nombre est inférieur pour créer une centrale, il n'y en a pas. Et le secteur d'activité aussi, Amadou Jibo l'a dit, peu importe ce que vous soyez du privé, c'est, comme ça, en tout cas. Vous pouvez vous retrouver dans une même euh, Tous les regroupements euh, syndicaux au Niger qu'on peut appeler centrale ou confédération, on a tous les secteurs d'activité, les trois comme il les a cités. Mhm. Il n'y a aucun problème, puisque un syndicaliste, c'est comme un joueur de football. Il défend et il attaque. Donc, ce n'est pas parce que je suis du public que je ne peux pas agir au niveau du privé. privé. C'est les textes qui sont là, il suffit de les appliquer. Bien. Euh, nous revenons à vous, Amadou Jibo, donc euh, secrétaire chargé à la communication de la CGCL Niger. Comment s'affilier à une centrale syndicale mais ben, nous, au niveau de nos textes, euh, c'est une demande d'affiliation que vous faites. Euh, vous demandez votre adhésion à la centrale syndicale. c'est accompagné aussi de vos statuts et règlements intérieurs de votre bureau provisoire. la décision d'adoption est, prise en réunion de bureau et entérinée par une autre instance qu'on appelle le comité confédéral, qui regroupe l'ensemble des secrétaires généraux des syndicats affiliés à la centrale et le syndicat est, considéré comme un syndicat affilié à la centrale. Et il n'y a aucune, euh, aucune condition à remplir, euh, notamment payer peut-être une caution euh. oui, quand le syndicat accepte d'adhérer à la centrale, il y a les dispositions statutaires et réglementaires de la, de la centrale qu'il est obligé de respecter, notamment les cotisations. au niveau de notre centrale, il y a une, cotisation qu'on appelle droit d'affiliation de 100 000 francs mm. qui est payée par les, par les euh, syndicats, Donc le problème ne se pose pas, les gens acceptent ces conditions-là et, s'affilent s'affilient à la centrale. Euh, un mot à ajouter euh, par rapport à, cet aspect non, non, C'est la, même démarche. Hein? Le syndicat qui veut bien venir s'adhérer à une, s'affilier, j'allais dire, à une centrale, il en formule la demande. Maintenant, il y a le bureau prend acte puisque le bureau se réunit et il examine les courriers. Maintenant, le, bureau, lui, ne peut pas affilier un syndicat. Il ne peut pas. C'est un organe, il ne peut pas affilier. Donc, il y a des instances. Comme il a dit, c'est le bureau confédéral, je crois, la réunion confédérale. À l'USN, c'est le comité central. Mais la composition, c'est la même chose. Ça regroupe les membres du BEN de la centrale et le secrétaire général des syndicats affiliés, qui prend acte là-bas. L'affiliation, il est provisoire jusqu'au congrès c'est le congrès, puisque à l'occasion des congrès, dans l'ordre du jour, on met les questions d'affiliation. Donc on en arrive, on va voir tel syndicat, tel syndicat. Donc déjà, en amont, par le Conseil central ou la réunion confédérale, pour les autres, ont déjà examiné la demande. Et à partir du Congrès, il est parce que le Congrès, c'est l'instance suprême. Mhm. Il l'affilie. Pour prendre les décisions. Oui, oui. Maintenant, il y a quelque chose que je viens d'entendre de lui qui est une très bonne chose. le, droit d'affiliation, comme il l'appelait, il faut payer 60 000. à l'heure. À l'USN, par exemple, il n'y a pas le droit d'affiliation, mais j'avoue que c'est une très bonne chose. Mais à partir du moment où tu es affilié, donc tout s'impose à toi. Les textes de la centrale ou de la confédération, là où tu es affilié, les textes s'appliquent à toi. Il y a des cotisations annuelles qu'il faut payer. Celui qui ne paye pas ses cotisations, les textes sont là, les mesures disciplinaires, etc. etc. Sinon, c'est la même démarche, comme il a dit, il n'y a aucun problème. Hmm. Est-ce qu'il euh, y a peut-être des, raisons qui peuvent amener à, refuser à un syndicat euh, d'être affilié à l'étude du dossier Est-ce qu'il y a euh, des, aspects sur lesquels vous êtes très regardant et qui peuvent justifier le fait de refuser la demande d'affiliation d'un syndicat Bon, à notre ah, niveau, jusque-là, nous n'avons pas eu des, cas pareils, mais chaque fois qu'un syndicat cherche une affiliation, bien si c'est un syndicat qui est créé dans un secteur qui existe déjà, par exemple dans un ministère, un syndicat est déjà dans le ministère qui est affilié à la centrale, et un autre syndicat se crée dans le même ministère, là, on est obligé souvent de, demander l'avis du syndicat qui est déjà affilié à notre centrale et son avis est pris en compte parce que c'est pour éviter souvent aussi des désagréments Parce que quand on demande aux gens de venir s'affiler, c'est se retrouver et travailler ensemble. Lorsque l'affiliation va créer des, des, désagréments, mhm. il va de soi qu'on prenne des dispositions pour pour voir comment on va arranger ça. Bien. Je reviens à vous, Monsieur Amadarouna. Je le disais, vous étiez euh, donc euh, mhm. secrétaire général de l'ISTN. Est-ce qu'on peut savoir entre le syndicat et sa centrale d'affiliation quels sont les devoirs des deux parties, l'un envers l'autre Bien. Avant de répondre, je vais juste le euh, compléter. Oui, mhm. c'est vrai. Mais au niveau de l'ISTN, il est clairement dit dans les dispositions que dans le même secteur, si un syndicat, est déjà affilié et qu'un deuxième secret veut venir, on demande l'avis du premier. Et ça, c'est même au niveau international, même au niveau international. Maintenant, l'USN est affilié à la, CSI, par exemple. Si la CGSL formule la demande pour une affiliation à la CSI internationale, forcément, il faut demander l'avis de la première organisation mm. affiliée. Généralement, il n'y a aucun problème, mais c'est juste des principes. Ça ne pose aucun problème. Maintenant, pour répondre à la question, vous savez, euh, l'affiliation, il y a des droits et des devoirs. Lorsque euh, vous décidez de venir vous affilier, de vous affilier à une centrale syndicale, il y a les conditions qui sont là. Vous allez venir, on vous accepte. La centrale, elle d'abord, elle doit assister ce syndicat partout où de besoin l'accompagner, l'assister dans les négociations, dans les moments de préavis de grève et même l'accompagner devant les tribunaux. C'est l'assistance. Maintenant, le syndicat qui est affilié, il a ses droits et ses devoirs. Ses devoirs, Ahmad l'a un peu ébauché, je l'ai dit aussi, la première chose qui marque ton adhésion à cette centrale, c'est le paiement de tes cotisations. C'est tout. Lorsque tu paies tes cotisations, tu as le droit de réclamer. Vous voyez, les cotisations ne représentent rien du tout. Mais il faut voir le droit les intérêts que cela te procure. Donc, en fait, chacun doit respecter. Puisqu'il y a des textes que nous nous sommes librement donnés, comme les politiciens aiment le dire, nous sommes librement donnés ces textes-là, il faut les respecter. Il y a des mesures que les deux côtés doivent observer. Et l'animation, la vitalité d'une centrale c'est les syndicats affiliés. Et lui, il est impermanent, il sait. Tous les jours, les gens doivent venir, même s'il n'y a rien, pour s'enquérir, savoir s'il y a des informations, savoir s'il y a ceci ou cela. Il y a des tableaux d'affichage. À l'USN, par exemple, il y a un box où on met les courriers des syndicats. C'est comme à la poste, tu as ta boîte postale, on met ton courrier là-bas, tu viens, tu prends. Ça, c'est ancien. Maintenant, ça n'existe plus. C'est mhm. un peu du désordre. Les gens viennent au niveau du secrétaire administratif, ils retirent leur courrier. Mhm. Donc, euh, vous avez le syndicat qui est affilié à la centrale, il a des droits et des devoirs. La centrale à laquelle ce syndicat est affilié, il a des obligations aussi vis-à-vis de ce syndicat. Ce n'est pas pour rien que les syndicats choisissent de dire je suis à la CGSL, à la CDTN, à l'USTN. Quand ils viennent, il faut les satisfaire. Au niveau des syndicats, des centrales, c'est l'assistance. Mais la lutte c'est le syndicat sectoriel qui, va le faire. La centrale ne se substitue pas à ce syndicat, mais il l'accompagne partout où de besoin, comme je l'ai dit. Comment cet, accompagnement doit euh, se concrétiser par exemple, euh, je sais, et ça doit, c'est valable. Euh, si nous prenons le cas, le cas par exemple du domaine de l'enseignement où euh, on a vu qu'il y, y, a tout le temps, en tout cas, des, des de grève, de sinting, de ceci et de cela. Vous savez, pour, dans le domaine de l'enseignement, ce qui a rendu la, la chose plus difficile, c'est que c'est un regroupement. C'est un regroupement dont les syndicats sont affiliés dans plusieurs centrales syndicales. Ou bien, Ahmad, je me trompe c'est comme ça. Donc, une seule centrale ne va pas dire ah, je veux euh, accompagner mon affilié. Ce que les centrales doivent faire, c'est de mutualiser leurs efforts pour apporter soutien et assistance à ce regroupement de syndicats qui est en mouvement depuis combien de temps je veux parler de cause pour ce qui me concernent. Cause, cause Niger euh, Sinaceb. Mhm. Tu as vu les syndicats, les centrales doivent mutualiser leurs forces pour les aider, les accompagner. Et je pense que ça a été fait quelque part, mais les syndicats, le recoupement n'a pas trouvé de satisfaction. Mais je sais qu'à un moment, l'ITN était par devant le premier ministre qui a fait des propositions, mais je pense que ça n'a pas été. Bon, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Par exemple, lorsqu'un syndicat dépose un préavis de grève, un syndicat sectoriel, en principe, il met en copie sa centrale. Donc la centrale, quand elle reçoit la copie, doit examiner ce préavis de grève. Et il ne faut pas avoir peur quand il y a des erreurs, il faut les souligner et les rappeler à, ah, au syndicat. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit. Pour une simple virgule qui n'a pas sa place, on peut vous convoquer à la justice. Mhm. Et vous allez avoir tort, quitte à reprendre. Donc, c'est une raison pour laquelle eh, les centrales doivent regarder les préavis de grève de leurs affiliés pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Et en tout cas, à l'USN, nous avons maintes fois fait ça. Souvent, on appelle le syndicat, on lui dit, il y en a qui ont le gros cœur pour dire non, non on a envoyé, on ne revient pas là-dessus, mais c'est une erreur. Puisque aujourd'hui, combien de fois les gens, on les amène à la justice juste pour, parce que ce mot-là n'est pas à sa place. Donc euh, voilà, les accompagnements, ils sont de plusieurs ordres. Oui. Amadou Jibou de la CGSL Niger, est-ce qu'il vous arrive euh, de, rencontrer des cas de ce genre où euh, des syndicats affiliés à votre centrale, euh, puisque je ne dirais pas, entre guillemets, euh, commettent des petites erreurs que vous vous, vous sentez dans l'obligation de les rappeler oui, bon, il faut dire que eh, ce n'est pas seulement qu'elles commettent des erreurs, mais nous sommes constamment avec euh, ces syndicats affiliés. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que les centrales syndicales n'ont pas de militants en dehors des militants des syndicats affiliés. C'est les syndicats affiliés qui constituent les militants des centrales syndicales. Et moi, j'assure la permanence, notre travail quotidien est d'encadrer les, syndicats sectoriels. Ils sont constamment avec nous. Ce que vous ne savez pas, c'est que nous ne gérons pas seulement les, les, travers qui sont eh, au niveau de la fonction publique, nous gérons aussi ceux qui sont au niveau eh, du secteur privé. Et ils sont très nombreux, ces syndicats-là. Et c'est là où nous gérons quotidiennement les conflits. Les conflits de travail, on les gère eh, surtout dans le secteur parapublic et le secteur privé. En tout cas, ce que vous êtes en train de constater, ce peu par rapport à ce que nous sommes en train de gérer. Et chaque jour que Dieu fait, nous les accompagnons au niveau des inspections du travail où les, litiges eh, sont réglés. Nous les, nous les formons, nous les encadrons parce que nous, avons un devoir aussi de les, former. Souvent, c'est de nouveaux syndicats qui sont créés et, les gens ne comprennent même pas les B à bas du, syndicat. Nous, en tout cas, nous les formons, nous, nous canalisons en tout cas euh, leur plateforme revendicative mm-hmm. et nous sommes constamment avec eux au niveau de l'inspection du travail, nous, nous avons, par exemple, géré un dossier cette année et qui nous a pris neuf mois. Euh, un secteur qui a été complètement fermé, une entreprise, euh, une entreprise dans laquelle nous avons un syndicat et l'entreprise a fermé. La, la Lunani mhm. a, a fermé l'entreprise pendant neuf mois et neuf mois durant, nous étions constamment avec ces travailleurs et finalement, récemment passé, nous avons en tout cas obtenu l'ouverture. Sans, avoir, sans avoir eu à, poser des actes de, euh, violence, je vais dire des grèves, de poser des actes violents. On n'a pas besoin, c'est juste des problèmes entre l'entreprise et la direction générale et la direction générale a fermé l'entreprise. Donc nous avons pris le dossier mais ça, déplace, ça dépasse le syndicat ah de manière sectorielle et c'est la centrale qui a pris en charge la question et nous avons fait plusieurs rencontres avec la direction générale, avec le ministère de l'Emploi, finalement avec la primature. Et Dieu merci, nous avons en tout cas pu aboutir à l'ouverture du, de, l'entreprise. Amadou Haruna, euh, ces genres d'actions euh, sont quand même à vulgariser, euh, à, promouvoir au niveau de certains activistes, de certains syndicats, j'imagine. Oui, notamment la, gestion pacifique des litiges. Vous savez, euh, comme il l'a dit, ce que la CGSL a fait, il faut saluer, puisque on a fermé l'entreprise. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de travailleur. Donc, son action a consisté à faire en sorte qu'on réouvre, que cette euh, entreprise re, euh, fonctionne, qu'elle reprenne ses activités. Et ça l'a rappelé oui, puisque c'est un truc c'est entre deux institutions, il l'a dit. Mhm. Donc et, là, je pense qu'il faut les remercier, les saluer, ce qu'ils ont fait. Ça a pris du temps, certes, mais le temps à gérer, et puis c'est tant mieux, c'est mes félicitations. Non, vous savez, c'est pas de gaieté de cœur que les syndicats, là, que vous voyez, souvent euh, utilisent les manières fortes. Non. Un syndicat, avant tout, il aime le dialogue. Parce qu'il sait qu'avec la force, on ne peut rien régler. Même si on règle, c'est sous la pression, sous la force. Est-ce que ça sera un règlement durable mais lorsque, eh, souvent il arrive que eh, les syndicats adoptent de telles attitudes. Et ça, ça, a des raisons, il y a des explications à ça. Lorsque le partenaire d'en face est sourd mieux à vos sollicitations, à vos demandes, à vos appels, finalement, vous ne pouvez qu'observer ce que la loi vous autorise aussi. Parce que les mouvements là, ils sont encadrés aussi par la loi. Imaginez si, si la loi n'a pas prévu ça, tous les syndicalistes allaient se retrouver en prison. Et aujourd'hui, je prends tout simplement le cas des enseignants. Nous avons vu le qui propos qu'il y a eu entre la partie gouvernementale et les syndicats. Tu ne sais pas à un moment où se trouve la vérité. La vérité. pas Mais je suis sûr qu'il y a eu le déficit de dialogue qui nous a amenés dans cette situation. le décideur, celui qui prend la décision pour dire je donne ça, je donne ça, je donne ça, il faut qu'il soit honnête, franc et sincère. Ce que vous ne pouvez pas honorer, il ne faut pas regarder les yeux de maigre pour vous dire je vous donne ça. Je prends l'acte de Et que le 15 janvier, je vais le réaliser. Sachant que vous n'avez pas les moyens, juste ils le font pour euh, de faire partir les gens. Mais l'échéance va venir. Et aujourd'hui, je parle sous son contrôle. Amadou, il est enseignant, je parle sous son contrôle. La, le gros problème aujourd'hui qui oppose les enseignants et la partie gouvernementale, c'est ça. C'est le non-respect des engagements. Et aujourd'hui, les syndicats, ils sont nombreux pendant que certains luttent pour les intérêts qui concernent tout le monde, d'autres sont en, bas pour dire ah non, non, il ne faut pas accepter, un peu comme la société civile qui est divisée. Malheureusement, c'est ça, qui, c'est ça qui rend nos luttes aujourd'hui inefficaces et non porteuses. Aujourd'hui, vous voyez, il y a combien de centrales syndicales J'allais enlever trois. Mais nous avons un regroupement ITN. Parce qu'aujourd'hui, une seule centrale ne peut pas faire fléchir aucun employeur. Donc, conjuguons nos efforts, mutualisons nos forces pour euh, obtenir quelque chose pour nos militaires. Donc nous sommes justement euh, donc à cette question que j'allais poser à, Monsieur M. Amadou Jibo de la CGSL. Au Niger aujourd'hui, on compte combien de centrales syndicales Mais avant de répondre à cette question, je vais revenir un peu sur la question des enseignants. Rapidement. Oui, je voudrais dire que au niveau, de, de au niveau des centrales syndicales, et les problèmes des syndicats sont d'abord pris en charge par eux-mêmes. Mhm. Par secteur. Et quand ça les dépasse, ils saisissent leur centrale syndicale. Au niveau du secteur de l'éducation, comme le grand frère l'a dit, c'est des syndicats qui se retrouvent dans toutes les centrales syndicales. La synergie est de l'autre côté, de l'autre côté, nous avons également un autre groupement qui est la FUSAN. La Donc, euh, cette question de l'évaluation qui est aujourd'hui sur la table est actuellement en train d'être prise en charge par, par l'ITEN. Parce que récemment, l'ITEN a rencontré, en tout cas, les syndicats du secteur de l'éducation et il a été demandé. Chaque centrale doit rencontrer les syndicats du secteur de l'éducation qui sont dans la centrale, qui sont affiliés pour recueillir leurs avis. Parce qu'on ne peut pas se substituer à ces, syndicats-là. Mhm. C'est à eux d'abord de, faire des propositions qui vont soumettre à l'ITN et que l'ITN va essayer de défendre devant le gouvernement. Et les centrales, je crois, en tout cas, à notre niveau, nous avons rencontré déjà les syndicats qui sont affiliés à notre centrale et je crois que les autres aussi l'ont fait. Et on a recueilli des propositions et ensemble on va se retrouver pour pouvoir en tout cas euh, faire une synthèse et prendre en charge de façon définitive cette question-là. Maintenant, pour revenir à la question du nombre, aujourd'hui nous avons, nous avons 13 centrales syndicales au Niger. Et c'est justement ce nombre pléthorique, ça pose problème, comme le grand frère l'a dit. Aujourd'hui, quand vous déposez une plateforme revendicative, ou bien quand vous faites une déclaration, il n'est pas étonnant demain de voir des gens qui vont organiser une autre déclaration. On peut, l'appeler une, une contre-déclaration pour mettre à terre ce que vous avez fait. Euh, des, gens qui sont dans la même centrale ou d'une autre centrale Pas de la même centrale, mm. mais qui sont dans les autres centrales. Pour mm-hmm. certaines considérations, mm-hmm. ils vont se retrouver ils vont faire des contre-déclarations et qui vont mettre à terre tout ce que vous faites. En tout cas, les centrales fonctionnent aussi de la même façon que les partis politiques et les acteurs de la et que la société civile est en train de fonctionner aujourd'hui. Euh, Monsieur Amadou Aruna, comment expliquer ce nombre élevé de centrales syndicales et euh, les, obstacles que cela pose Merci. Pour illustrer un peu ce que Amadou a dit, en 2012, l'ITEN a signé deux protocoles d'accord avec le gouvernement. Le premier protocole a consacré des augmentations de salaire au niveau de tous les trois secteurs, public, parapublic et privé. Même si nous savons que au niveau du secteur privé, eh, le gouvernement n'a pas la force d'imposer une augmentation. Et c'est pour ça que, temps de l'ancien Premier ministre, Hamamadou, on a, il, a, il a eu l'ingénieuse idée de créer un cadre dit Conseil national du travail, qui regroupe eh, le, gouvernement, les travailleurs et les employeurs, puisque la question d'augmentation de salaire dans le privé, c'est le patronat qui doit en décider. Donc, euh, on les a mis dans la face. Alors, nous avons eu cette augmentation, mais des, des camarades d'autres centrales sont sortis pour critiquer, en fait, ces accords, alors qu'ils bénéficient. Qu'est-ce qu'un travailleur a de plus qu'une augmentation de salaire Il y a eu ces augmentations de salaire. Et à l'appui au niveau du public, je parle sous son contrôle encore, il y a eu des indemnités. Certains secteurs qui n'avaient pas des indemnités, on a créé, on a donné ceci. Ce. Mais il y a des centrales des militants de certaines centrales qui sont sortis pour dire que c'est du bluff, alors qu'ils ont bénéficié. Vous voyez comment euh, les gens sont hypocrites. Tout à l'heure, euh, j'ai dit que j'étais tenté de dire qu'il y a trois centrales, euh, dix, que je soustrais trois. Parce qu'il y a deux qu'on appelle centrales des auxiliaires, ça n'existe pas. Centrales Des auxiliaires. Mhm. Ça n'existe pas. lorsque nous savons que ces auxiliaires de l'État, ils sont tous dans leur syndicat professionnel. Et voilà que, avec la bénédiction du pouvoir public, les gens créent. D'abord, c'est un syndicat, des auxiliaires de la fonction publique. Après, on transforme ça en centrale syndicale. Mais puisque tout à l'heure vous avez dit qu'il n'y a aucune norme euh, qui encadre. Non, mais on, a, dit une centrale. On, euh, à partir de tel Écoutez-moi bien. Une centrale syndicale, on dit c'est le regroupement des syndicats sectoriels qui forment une centrale ou une confédération. On est d'accord mhm. Un syndicat, c'est les militants d'une même corporation qui forment un syndicat. Ces auxiliaires-là, aujourd'hui, ils, ont le droit, et ils l'ont, de former un syndicat, et ils ont leur syndicat. Mais c'est qu'aujourd'hui, quand tu demandes les autres syndicats euh, sectoriels de ces centrales, il n'y en a pas. Mhm. Moi, je suis auxiliaire, moi, je suis auxiliaire. Vous ils sont en même temps, ils sont syndicats et, et centrales en même temps. Donc il y a aussi une autre dite centrale de l'économie informelle. De par le monde, c'est au Niger seulement que ça existe. Mais elle ce syndicat est avec nous, l'ITN. On fait tout ensemble puisqu'il faut faire avec. Le syndicat, il est créé pour plusieurs raisons. Qu'il s'agisse des centrales ou des syndicats, pour plusieurs raisons. Il y a souvent des euh, raisons de leadership. Parce qu'on part au congrès, à moi de moi, nous sommes candidats, on me bat, je sors, je ne suis pas content, certains me tirent, les démons, on crée une centrale ou on crée un syndicat. Il y a aussi le clientélisme. Certains pensent qu'ils eh, font du syndicat ils font du commerce, il ne faut pas qu'on se cache eh, les choses, Amadou. Il y en a qui, aujourd'hui, tu demandes leurs militants, tu n'en trouves pas un. Tu demandes leur siège, tu n'en trouves pas. Tu demandes les membres du bureau à l'occasion des rencontres à la primature et autres, tu ne vois pas. Il y a toujours le même camarade avec son sac. D'où la nécessité. C'est pourquoi vous dites clientélisme hein? Mais avec le syndicat, le titre de syndicat, tu viens, tu vois un employeur, il va te recevoir. Et Dieu seul sait ce qui va se passer. Nous autres là, la représentation, le minimum, c'est deux. Quand on dit qu'on veut voir le secrétaire général de la CGSL, il va avec son permanent ou bien avec un autre membre du bureau. Il y en a qui sont toujours seuls. On les a jamais vus avec un autre. Ils sont toujours seuls. Et aujourd'hui, puisqu'ils ont su qu'à un moment, en 2008, l'ITEN a négocié obtenu auprès du gouvernement une subvention pour la première fois, et c'était de haute lutte, avec des arguments massus posés sur la table, le gouvernement a fini par accepter d'accorder une subvention de 40 millions à l'ITEN. Donc les autres se sont créés pour venir dire il faut qu'on partage la subvention. Nous avons dit niet. C'est le fruit d'un accord et un accord engage deux parties. Vous n'étiez pas de la négociation. Et ces central là je parle sous son contrôle encore. Depuis quand ils n'ont pas tenu un congrès, depuis quand même les réunions, on ne les voit pas, alors que les autres se cassent la figure, ils demandent à leurs militants de payer les cotisations, ils demandent aux syndicats de payer les cotisations pour tenir les instances statutaires, parce que c'est obligatoire. Alors vous parlez depuis euh, un moment de, l'ITN, c'est l'intersyndicale des, travailleurs du, Niger. Euh, est-ce qu'on peut savoir pourquoi euh, donc la création d'une telle organisation qui regroupe des centrales cette fois-ci Voilà. Très bien, merci. Moi, je vais vous dire que, eh, comme on dit, l'union fait la force. Tout à l'heure, j'ai ébauché un peu la question. Avec la pluralité des organisations dans ce pays, aucun syndicat, aucune centrale ne va se taper la poitrine pour dire, moi, je veux faire fléchir le gouvernement. D'où la nécessité de se retrouver. Même à l'international, au niveau de la CSI, avant, il y avait deux organisations mondiales, la CISL, euh, Confédération des syndicats libres, et la CMT, Confédération mondiale du travail. C'est les deux plus grandes organisations des travailleurs. Elles se sont en 2006 fusionnées pour donner une seule. Et ce sont les centrales des pays qui sont affiliées à ces organisations. Même au niveau international, on a fait ça. Pourquoi au niveau national, on ne peut pas le faire si tant est que ça permet de régler les problèmes des travailleurs Et Dieu merci, l'ITN, moi, je faisais partie. Nous avons travaillé, nous avons eu des choses. Mais vous savez, le besoin est toujours là. Tant qu'on vit, il y a le besoin. La lutte, elle est permanente. Mais je vais vous dire, puisque nous avons, on a dit, il y a 13 centrales syndicales. Les six autres, là, ils ont créé aussi un cadre, à l'image de l'ITEM. Mais jusque-là, on n'a vu rien que, même négocier avec le gouvernement, obtenir quoi que ce soit sur les cahiers de doléances remis à l'occasion du 1er mai, on n'a pas vu un seul copain qu'ils ont pu engranger. Et qu'est-ce qui peut expliquer cela bah, Parce que ce n'est pas par amour, par quoi là ils ont créé ces syndicats, c'est parce que a votre créé. Point de vue. Mais bien sûr, <laughs> mais tout le monde va vous dire ça, même eux. Nous, allons donner la parole à, à, ah à Jibo. l'ITN euh, l'apport de l'ITN dans la lutte syndicale. Notre centrale est membre de l'ITN mhm. et l'ITN a fait un travail important. Le premier travail important qu'il faut pas perdre de vue, c'est d'abord la restauration de la démocratie dans ce pays. Parce que la démocratie a failli être remise en cause à partir des années 2009. Vous le savez très bien. Avec la question de Tazarki. Avec la question a été créé et l'UTN a contribué fortement à la restauration de la démocratie parce que nous sommes dit que nous, en tant qu'organisation syndicale, nous tirons notre légitimité de la démocratie. Quand il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'organisation syndicale et nous avons été sur le terrain et Dieu merci, nous avons pu restaurer la démocratie. Et encore, nous sommes là. Contrairement à ce que les gens pensent, nous sommes là. Quand en tout cas, quand nous constatons qu'il y a des incertitudes et que la démocratie va être remise en cause, ou bien est en train d'être remise en cause dans ce pays, nous sommes là et nous allons agir et personne ne peut nous empêcher de le faire. Parce qu'on a vu par le passé, les syndicats de travailleurs ont toujours joué un rôle, notamment dans, la, dans les questions de, Exactement. démocratie. Euh, le cas de l'USTN. Euh, euh, la centrale unique de l'époque. De l'époque, oui. dans les années 90. Et toutes les périodes sombres des années 90 à 99, en tout cas, les, les centrales syndicales ont beaucoup travaillé. En 2009 également, les centrales syndicales ont travaillé. Et actuellement, les centrales syndicales sont là. Mais notre devoir, ce n'est pas de rentrer dans les luttes politiques. Non, loin de nous cette idée. Mais nous sommes là pour veiller quand même à la restauration de la démocratie, contrairement à ce que les gens, les gens pensent. Alors, selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force des centrales syndicales et qu'est-ce qui fait, euh, qu'est-ce qui constitue une faiblesse Bon, nous, au niveau de l'ITN, c'est vraiment ce cadre-là que nous avons créé, qui est aujourd'hui un partenaire incontournable au Niger. Le gouvernement est obligé de négocier avec l'ITN parce que l'ITN constitue une force. Dieu merci, nous avons signé à peu près eh, trois protocoles d'accord avec le gouvernement en 2012. Je rappelle que février 2012, novembre 2012 et avril 2015, en tout cas, nous avons signé des protocoles d'accord. Nous avons eu quand même des acquis importants, même s'il y a un travail qui reste. Notamment dans le ah. respect euh, d'un certain nombre d'engagements Oui, notamment le cœur de lance que nous avons déposé qui est encore en négociation, ah. même si les négociations encore. Il y a quel point phare dans ce cahier de données Il y a beaucoup de points importants. Nous avons <laughs> jusqu'à. Par exemple, euh, les élections professionnelles. Oh oui. Donc, il y a cette question des, élections, professionnelles. Il y a la révision de l'ordonnance réglementant le, droit de grève au Niger. En tout cas, c'est des questions qui, qui, nous tiennent à cœur parce qu'il y a beaucoup d'abus dans la gestion de, de, cette ordonnance-là qu'il va falloir régler. C'est pourquoi nous, nous l'avions ramené sur la table. Il y a également cette question des élections professionnelles qui va nous permettre, quand les élections professionnelles seront organisées, d'assainir le mouvement syndical et de et de mettre fin à cette pagaille. Oui, d'assainir dans quel sens Parce que jusqu'à là, en tout cas, il y a beaucoup euh, de personnes qui n'arrivent pas à ah oui, appréhender effectivement l'objectif principal visé par ces élections professionnelles qui, on le rappelle, ont été repoussées à plusieurs reprises. Oui, l'objectif c'est de, de, de, déterminer la centrale la plus représentative. c'est-à-dire la centrale qui dorénavant va prendre en charge les questions des travailleurs ou, le chef de file. Vous savez, aujourd'hui, nous avons deux regroupements et nous sommes obligés de nous retrouver dans, dans, dans, ces regroupements parce que, comme le grand frère l'a dit, aucun, aucune centrale de façon isolée ne peut, fléchir le gouvernement. C'est pourquoi nous avons mis en place ce, cadre-là l'IETN. Mhm. Malheureusement, un autre cadre s'est créé et qui a aussi rédigé une plateforme revendicative, même si ils ont repris les mêmes revendications que nous avons dans nos cahiers de doléances. Donc, ça pose problème la négociation avec le gouvernement. C'est pourquoi on a décidé d'organiser ces élections professionnelles et dorénavant, après l'organisation de ces élections provinciales, c'est la centrale ou bien les centrales les plus représentatives qui vont négocier avec le gouvernement au nom de tous les travailleurs. Alors, mais ces élections vont, vont se passer comment Entre qui Entre les, regroupements des centrales syndicales ou entre euh, centrales C'est entre les. Bon, pour le moment, il y a 12 centrales syndicales qui sont en compétition. Je l'ai dit au départ, il y a 13 centrales syndicales, mais il y a euh, l'autre centrale syndicale qui est une centrale syndicale de l'économie informelle mhm. et qui n'est pas concernés mmh. par ces élections-là. Mmh. Donc, euh, une fois que ces élections seront organisées, c'est entre les centrales syndicales. Oh, oh, c'est oh. les centrales syndicales qui sont, qui sont candidates, les militants des centrales syndicales qui sont les travailleurs vont voter et il y a un seuil de représentativité dans le code qui, qui régit ces élections-là. Mmh. Le seuil est de 5%. La centrale qui parviendra à obtenir 5% du suffrage des électeurs est considérée comme centrale représentative. Et dorénavant, le gouvernement va compter avec cette centrale. Pourquoi que ce soit comme négociation Oui, c'est elle qui va représenter les travailleurs au niveau du gouvernement et même dans les institutions, parce que vous n'êtes pas sans le savoir que les centrales syndicales ont aussi des représentants dans les institutions de la place, telles que la, la, Caisse nationale de sécurité sociale, l'ANPE, la e, CNDH. À chaque fois qu'il s'agit de désigner celui qui va représenter les travailleurs, ça pose problème. On ne sait pas qui il faut choisir parmi les membres des centrales. Donc, ces élections vont permettre de mettre fin à toute cette situation-là. Amadou Aruna, euh, ancien secrétaire général de l'USTN, cette question des élections professionnelles qui doit normalement assainir euh, euh, le, domaine, comme vous l'avez dit, est-ce que vous pensez que jusqu'à présent, parce que ça a été, ces élections ont été reportées à plusieurs reprises, mm-hmm. est-ce que vous pensez qu'il y en a qui ont intérêt à ce que ces élections ne se tiennent pas Bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que au finish, c'est quoi On a dit, Amadou l'a dit, c'est pour déterminer la représentativité des centrales syndicales. Il y aura un classement de 1 jusqu'à oh là Celui qui a moins de 5%, il n'est pas représentatif. À partir de 5, vous êtes représentatif et c'est vous qui allez conduire toutes les négociations et autres là au nom des travailleurs. Même cette subvention-là pour laquelle les gens se créent, les syndicats se créent ou les centrales. Mais la subvention même, c'est au prorata de ton, de ton pourcentage qu'on va te donner. c'est Une subvention que, que donne l'État L'État ou bien la caisse et la NPE, qui fait que des centrales vont mourir de leur belle mort, puisqu'il n'y a pas les ressources pour lesquelles elles ont été créées. Ils vont partir. Ça va assainir, n'est-ce pas, la situation. Parce que aujourd'hui, quand on dit le Premier ministre ou le ministre de la fonction publique du travail ou le ministre du travail veut rencontrer les centrales syndicales, tout le monde part. Or, quand on aura fait les élections, on sait qui va aller. Et au nom de tout le monde, vous êtes d'accord ou pas, c'est lui, qui de par les textes et le gouvernement, il sait qu'il a un répondant. C'est clair. Non seulement les centrales existantes vont prendre un coup, mais ça va décourager d'autres qui ont des, idées pour vouloir crier. créer. Parce qu'ils vont trouver qu'il n'y a plus rien. On a Et c'est 4 ou 5 ans, Amadou Le mandat, je crois, 4 ou 5 ans. 4 ans et on renouvelle. C'est comme les, toutes les élections. Maintenant, il faut travailler pour que eh, de la 13e place ou 12e place que tu remontes. Oui, oui, ça se fait un peu partout chez nous. Maintenant, le problème, c'est au niveau du gouvernement. Parce qu'il doit donner les fonds nécessaires pour que le processus-là on puisse le mener à terme. Est-ce que l'État n'est pas, n'a pas, le gouvernement n'a pas euh, plus intérêt à ce que ces, ces élections se tiennent Mais il a intérêt justement, parce qu'avec, comme il a dit, ce désordre-là, il sait qu'il aura dorénavant un seul répondant, même s'il y a cinq qui sont représentatives, il y a quand même une qui est devant. Donc, il sera le porte-parole. Il est clair que parmi nous, il y en a qui ne veulent pas que ces élections se tiennent parce que d'ores et déjà, ils connaissent euh, leur classement. Parce que nous avons à un moment pensé que 5% ce n'est rien du tout. Mais c'est beaucoup. 5%, c'est beaucoup. Et on, va, on va organiser, si Dieu le veut, après les élections, un truc ici pour décortiquer tout ce processus, comment ça se euh, passe. Mon mot de fin, c'est que euh, vraiment la Fondation Hirondelle, euh, c'est Studio Kalangu, Je vous remercie parce que les thématiques que vous choisissez, elles sont importantes je vous encourage à perpétuer tout cela et même temps peut revenir. Parce qu'on peut estimer que les gens ne sont pas allés à fond. Trois, quatre, 3, 4, 5 mois, on peut revenir. Merci. Euh, Amadou Jibo, rapidement de la échelle votre mot de fin. Ah oui, bon, avant d'arriver à mon mot de fin, je voudrais quand même revenir un peu sur ces élections-là. il y a quand même un problème. Le problème que le grand frère avait euh, annoncé tout à l'heure, le problème de financement, financement de ces élections. Il y a également le problème de fichiers. Actuellement, nous avons un fichier qui n'est pas encore fiable. Et c'est d'ailleurs le problème principal. Le fichier n'est pas encore fiable. De tous les électeurs, vous voulez dire Oui, le fichier des électeurs qui comporte la liste des électeurs où nous avons encore des, des, des, doublons. Et, quelquefois là où les noms, les noms vont se répéter trois fois. élections. En dépit même d'un travail qui a été fait par un cabinet de travail, le problème persiste encore et c'est pourquoi on était obligé encore de reporter ça. Et je crois que des engagements ont été pris, en tout cas pour euh, pouvoir régler ça. Et nous pensons que pour qu'il y ait des élections fiables, en tout cas, il faut qu'il y ait un, fichier, fiable. Tant que ces fichiers-là ne seront pas fiables, nous ne l'accepterons jamais. Est-ce qu'il y a déjà une idée de date Pour le moment, pour le moment, il n'y a pas de date, aucune date n'a été fixée. Et dans tous les cas, nous allons créer les conditions pour qu'on tienne compte aussi des délais réglementaires qui sont prévus aussi par le code électoral. Euh, Merci. je voudrais aussi, comme il l'a dit, en tout cas, remercier votre studio pour ce genre d'initiative. Je pense que toutes les fois qu'il y aura, en tout cas, il y aura d'autres problèmes, vous allez aussi nous appeler. Nous allons continuer les débats pour éclairer et les auditeurs. Merci à vous tous donc d'avoir été des notes durant ces 45 minutes. Je rappelle que nous étions avec Amadou Harouna Maïga, ancien secrétaire général de l'USTN, et Amadou Jibou, qui est secrétaire chargé à la communication donc de la Confédération générale des syndicats libres du Niger, CGCL Niger. Merci à vous. Bonsoir.